Espace femme. Espace femme. Espace femme. Il est 18h passé de 15 minutes. Vous écoutez Espace Femmes, une émission de studio Kalangu qui touche particulièrement les femmes mais qui intéresse tout le monde. La fistule obstétricale au Niger, quel impact sur la vie de la femme malade est le sujet dont il sera question aujourd'hui. La fistule génitale ou encore appelée fistule obstétricale reste un véritable problème de santé publique au Niger. De nombreuses jeunes femmes, majoritairement celles qui vivent en milieu rural, sont victimes de cette maladie, le plus souvent des suites d'un accouchement difficile. Selon le ministère de la Santé, le Niger ne dispose pas de données d'envergure nationale sur la prévalence de la fistule. Cependant, il estime le nombre de nouveaux cas à environ 750 par an. Qu'est-ce que la fistule obstétricale Quels sont les facteurs qui favorisent cette maladie Comment se fait la prise en charge des victimes Quelles sont les régions cibles Comment éviter la fustule Pour faire l'état des lieux, j'accueille ce soir euh, Madame Traoré Salamatou, sage-femme présidente de l'ONG Dimol. Euh, bonsoir. Bonsoir. Docteur Idrissa Abdullah est chirurgien urologue, directeur du Centre national de référence des fustules obstétricales, représentant du ministère de la Santé publique. Bonsoir. Euh, bonsoir. À la présentation, Rayla Soumana. Mesdames, euh, bonsoir. Euh, au Niger, euh, le traumatisme qui est à redouter lors de l'accouchement pour la jeune fille et la femme en général est la fustule obstétricale qui parfois cause leur exclusion de la vie sociale. Tout d'abord, je vais commencer par euh, le médecin, docteur Idrissa Abdoulaye. Dites-nous ce que c'est que la fistule obstétricale. Euh, merci euh, beaucoup, merci au studio Kalangou. la fistule obstétricale, en fait, ici, il y a des termes qu'on est en train de mélanger. Peut-être qu'il faut les séparer. C'est-à-dire qu'il y a la fistule génitale féminine et la fistule obstétricale. Donc, la fistule génitale féminine se définit comme étant toute communication avec l'appareil génital de la femme et qui concerne aussi bien l'appareil urinaire que euh, le système digestif par, et ce qui se manifeste par euh, l'écoulement des contenus de ces deux systèmes vers l'appareil génital. Maintenant, la fissure obstétricale, presque c'est la même chose, mais ça survient après un accouchement difficile qui n'a pas été correctement pris en charge. Et comment expliquer un peu le processus, comment ça advient cette fissure Si on prend par exemple la fissure obstétricale qui nous concerne le plus, parce que c'est ça qui est la plus répandue dans les pays pauvres qui sont sous-équipés sur le plan médical. Donc ça survient généralement chez des femmes qui ont un accouchement difficile. L'enfant est coincé dans la filière génitale pendant l'accouchement. Il y a une compression de la tête surtout de l'enfant contre le bassin de la mère. Et comme ça, tout ce qui est tissu mou entre ces deux structures dures ne vont pas avoir du sang pendant un certain temps donc ce qu'on appelle l'ischémie. Après, lorsque ça perdure, considère que si ça fait 6 heures de temps, eh bien, ça va se nécroser, ça va mourir. Et après, le tissu qui est mort va tomber et la partie qui est tombée là va constituer le trou. C'est ce qu'on appelle la fissure. Donc, euh, il y a, une, connexion. Il y a une communication, absolument. Mhm entre maintenant le système, le système génital de la femme et le système urinaire le plus souvent, le rectum aussi, qui est le système digestif. D'accord. Au niveau du centre, à combien estimez-vous le nombre euh, d'interventions ou bien le nombre de cas que vous avez enregistrés euh, l'année dernière ou cette année Ce sont des supports qu'on a, je ne l'ai pas sur moi, mhm. mais on a pris en charge 160 cas, donc 160 femmes victimes de fistules obstétricales. Mais à côté de ça, c'est-à-dire qu'une femme peut être opérée deux fois ou même peut avoir deux fistules. Et à côté de ça, il y a les opérations qu'on appelle les incontinences, qui est liée à au même système qu'on ne compte pas dans les 60. Donc, mais sinon, on accueille plus que ça. Maintenant, ce qu'on a oublié, c'est les fistules euh, aussi euh, génitales féminines en général, notamment la fistule iatrogène, c'est-à-dire qui est liée à une manœuvre. C'est-à-dire que les gens sont allés faire un, un geste et malheureusement, ce geste finit par une fistule. Genre un accident ou... Accident, accident, c'est ça. cest à que c'est une fistule provoquée par, par exemple, les, médecins même, ou bien parfois par les tradis praticiens. Euh, Pour quelle pratique, par exemple Par exemple, euh, une femme qui a, par exemple, une, un fibrome utérin, mhm. il faut enlever l'utérus. Et eh bien, parfois, il y a un accident qui va survenir en fait que on va communiquer accidentellement les deux systèmes. D'accord. Donc, ça se manifeste de la même manière par un écoulement. Il y a aussi les cas de traumatisme, donc les accidents de la voie publique. Et dans certains pays, euh, le traumatisme qu'on appelle la guerre sexuelle, c'est-à-dire qu'ils vont maritiser la femme, ils vont faire des manœuvres euh, au niveau génital qui vont mettre en communication le destin pour sentir qu'ils euh, ils ont gagné. Donc, donc, il y a aussi les cas de cancer ou ça, c'est la tumeur même qui met en communication avec le système. D'accord. Donc, il y a, beaucoup de, cas. Il y a les cas qu'on appelle congénitales où les gens naissent avec. On est avec. Mhm. Et pour les traumatismes dont vous venez de parler, est-ce que cette fistule peut concerner un homme, par exemple Absolument. Parfois, il y a des empalements, c'est-à-dire que des gens qui tombent, c'est-à-dire que c'est un objet pointu qui peut rentrer dans le périnée mhm. et qui peut mettre en communication. Mais c'est des cas extrêmement rares. Parfois, on les prend rapidement en urgence. D'accord. Et vous en avez rencontré déjà Énormément. Actuellement, il y a un cas qu'on a à, l'hôpital. C'est des euh, de la région de Diffa. Il a reçu une balle. Cette balle a mis en communication les, Et donc, du coup, la fistule euh, concerne aussi les hommes En fait, chez nous, les cas de fistule les plus importants en nombre vraiment, c'est le fistule obstétricale. C'est pour ça qu'on ne veut pas en parler trop des hommes. Oui, mais il faut que... les gens sachent aussi que ça existe euh, en cas d'accident, que ça peut. Euh, eh, absolument, absolument. cest Ça dire que même sur le plan congénital, les mm. hommes peuvent être concernés. D'accord. Mm. Merci, docteur Idrissa Abdoulaye. Madame Traoré Salamatou, je reviens à vous. Selon votre appréciation, les chiffres que vient de donner docteur euh, Idrissa Abdoulaye, comment euh, les voyez-vous Est-ce que c'est alarmant euh, ou bien c'est en baisse selon les euh, années. je dirais que c'est alarmant, d'autant plus que même un seul cas de fistule constitue un handicap. Deuxièmement, euh, le chiffre n'est que des chiffres des femmes qui passent dans le centre. Qui sont enregistrées. Il y en a qui viennent parfois et qui, tellement pressées, elles repartent en brousse. Parce qu'elles veulent qu'on les opère aussitôt. Mhm. Et nous, nous avons environ 200 hein, et il y en a qui échappent. Les parents pensent que c'est un mauvais sort qu'on leur a lancé ou bien c'est des génies qui sont avec la femme. Ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. Le week-end, elles viennent avant que le personnel ne soit là. Il y a d'autres parents qui viennent les arracher. On a vu beaucoup de cas comme ça. Et qu'est-ce qu'ils font après des traitements traditionnels Et ils reviennent ensuite ils vont, ça ne marche pas et ils reviennent. Mhm. Donc, euh, ce qui fait que moi, je dirais que si nous comptabilisons aussi les femmes qui sont dans les autres centres, il n'y a pas que le centre de référence, il n'y a pas que le centre d'Imol. Toutes les régions, il y a les centres mère enfants qui reçoivent et qui opèrent. Mhm. Vous voyez, euh, le les chiffres est alarmant. C'est mhm. alarmant. D'autant plus que euh, nous avons des femmes qui sont cachées dans les villages. Il y en a qui n'ont pas les moyens de venir dans les formations sanitaires du fait l'écoulement, du fait de l'odeur qu'elles dégagent et aussi du fait qu'elles ont une appréhension par rapport à la prise en charge. Est-ce que je vais guérir ou bien il faut payer de l'argent, je ne pourrai pas honorer cet engagement, donc elles préfèrent rester au village. Ça veut dire qu'elles n'ont pas l'information que ça peut être pris en charge. Elles ont l'information que ça peut être pris en charge, mais comment accéder à la formation sanitaire, les moyens. D'accord. Voilà. OK. Selon vous, quels sont les facteurs euh, qui favorisent euh, cette fistule obstétricale ah, C'est la pauvreté, c'est l'ignorance, c'est la non-accessibilité aux services de santé des soins primaires. Donc, les euh, soins primaires tels que. Tels que, au moins, les cases de santé. Mhm. Aller faire les consultations prénatales, accoucher avec une assistance de personnes appropriées. Mhm. Alors, si elles n'ont pas ce préalable, Évidemment, elles reste chez elle c'est un long travail. Et ensuite, euh, si ce n'est pas la mort, c'est l'handicap. Ce qui fait que euh, beaucoup décèdent sans accéder aux formations sanitaires. Mm-hmm. Celles qui échappent, elles perdent le bébé, mais elles perdent leur santé aussi. Elles sont handicapées. la motricité des jambes, elles la perdent. Et socialement, elles sont rejetées par leur mari, par leur famille. Même l'environnement, il n'y a que les proches, très proches qui s'en occupent. L'accès au centre de soins aussi, il y en a qui ont accès mais qui n'y vont pas et il y en a qui, c'est par euh, l'éloignement qu'elles n'y vont pas. Surtout en milieu rural, elles privilégient leurs travaux domestiques au détriment de leur santé. Au lieu de trois mois, elles attendent jusqu'à six mois ou bien parfois elles vont juste pour avoir le carnet de santé. Juste une consultation avant l'accouchement. Ça veut dire qu'un connaissent pas l'importance de faire les constations. Elles ne connaissent pas l'importance, même si elles connaissent, elles ont d'autres obligations prioritaires pour elles. Les tâches ménagères. Voilà. D'accord. Merci, euh, Madame Traoré. Docteur euh, Abdoulaye, euh, est-ce qu'on peut guérir définitivement de la fustule obstétricale <laughs> ça, c'est une question qui. Ah, vous voulez lancer un défi aux chirurgiens, quoi. C'est juste une question pour euh, savoir. non, moi, je suis chirurgien. Oui. Mais j'ai une compétence en prise en charge des cas compliqués de fistule obstétricale. D'accord. Et si je continue à le faire, c'est que j'ai des succès. Autrement, je vais abandonner. <laughs> non, on, peut guérir de la fistule pré-opération. On a guéri euh, sur euh, Il a dépassé deux cas. Il y en a plus cette année déjà qu'on a guéri par sonde. Mais il y a des conditions pour, pour, guérir, et la sonde et de la chirurgie. D'accord, comment ça marche Non, c'est l'opération. C'est-à-dire qu'il faut avoir une formation pour, pour faire ça. Il y a des critères pour opérer ces femmes. La première critère, critères, c'est qu'on a dit que c'est une fuite d'urine par les voies génitales ou de sel. Et la première des priorités, il faut fermer le trou. Mhm. la, deuxième priorité, c'est de rendre la femme continente, c'est-à-dire qu'elle peut contrôler elle-même les, urines, ou les sels. La troisième priorité, c'est aussi qu'après, elle peut retourner avoir une vie sexuelle accomplie avec son mari. la quatrième condition, c'est aussi que cette femme puisse accoucher normalement après. Tout en étant assistée. Quelle a la possibilité d'accoucher Parce que c'est pas évident. On a parlé de l'appareil génital. Si on répare ça, il faut réparer pour que la femme puisse concevoir. Ça touche pas sa fertilité Absolument, ça touche sa fertilité. Mais c'est pour ça qu'il faut justement est-ce qu'au Niger, on a assez de chirurgiens qui opèrent ce genre de cas On en a, mais c'est-à-dire qu'il y a des, différents niveaux de compétences. Mhm. Mais récemment, on était à Maradi pour euh, faire euh, un camp de chirurgie de la fistule, et ces camps-là sont prévus par la stratégie nationale euh, d'élimination de la fistule, qu'on doit faire deux camps par an mhm. à l'intérieur du pays où on regroupe tous les chirurgiens de la fistule. Donc c'est un endroit où non seulement on prend en charge les cas compliqués, mais aussi on enseigne, on échange d'expériences. Donc c'est pour dire que à l'heure actuelle, tous les centres mères-enfants peuvent pratiquer la chirurgie de la fistule. À chacun à son, son niveau de compétence. D'accord. Mais quel est le taux de guérison que vous avez ici au centre Au, centre, on avait euh, à peu près 69% de, de, Lorsque nous, on parle de guérison, on dit guérie et continente. C'est-à-dire que la femme, vraiment, elle, n'a aucun problème pour garder ses urines. Est-ce que vous avez rencontré des femmes qui récidivent, qui reviennent encore après être euh, guéries Oui, bon, peut-être faut-il expliquer aussi la récidive. C'est-à-dire que la récidive, c'est une femme guérie, mhm. réinsérée, qui est partie chez son mari, qui est tombée enceinte, mhm. et qui a fait les mêmes problèmes d'accouchement et qui a fait la fissure. C'est ça la récidive. Mhm. De plus en plus, c'est rare. Mais l'année passée, on a eu deux cas. Qui sont euh, revenus. Qui, ont été opérés de fissure, qui sont guéris, qui ne sont pas venus accoucher dans un centre qualifié et qui ont refait la fissure. Bon. Maintenant, ça devient de plus en plus rare parce qu'on on donne des explications. Vraiment, on prend notre temps mhm. pour que justement ça ne revienne pas. Parce que c'est pas que la fissure. parce que nous aussi, on ne va pas quand même se mettre à faire le même travail. Si une femme a accès au service de santé, et Hajia vient de le dire, c'est mhm. l'ignorance, on leur donne des informations pour franchir cette barrière de l'ignorance pour qu'elles reviennent pour bénéficier de ce qu'on appelle une césarienne prophylactique. C'est-à-dire que la césarienne est faite avant le déclenchement du travail d'accouchement. D'accord. Merci bien, madame. Vous voulez réagir Oui, euh, les récidives, on en a. Actuellement, il y a une qui est revenue. Il doit aller voir le docteur. Mhm. Il y a une seconde qui est au village, elle est à Karma, c'est même pas loin du centre de santé. Hein. Et c'est une qui a fait ses consultations, qui a eu même la chance de collaborer avec euh, Milinda Melinda Gates, qui est venue dans notre centre, qui finance euh, la fistule un peu partout. La fondation, oui, Bill Gates là. Son épouse. D'accord. Elle, est... venue à Dimol, oui, elle a rencontré des jeunes femmes, elle a parlé avec, elle a même fait un livre là-dessus. Alors, euh, cette fille, cette année, on a fait des recherches, on a fait le suivi avec euh, l'UNFPA et on l'a retrouvée. D'accord. Parce qu'elle était perdue de vue. Elle a fait un premier accouchement à Karma. Qui n'est pas loin de Niamey. Qui n'est pas loin de Niamey. Elle a échappé à la récidive. Et quand on l'a vue, elle était enceinte vraiment et on a instruit aussi l'infirmier. Il faut cette fois-ci qu'elle vienne faire son accouchement par voie haute au mhm. niveau de Niamey. Je vous assure, cette fille-là, moi, J'attendais qu'elle vienne, comme je bouge beaucoup, je ne l'ai pas vue. Mais euh, c'est le FUNIAP, le docteur qui m'a appelé pour me dire Aja, la fille, elle a accouché au village, l'infirmier m'a informé qu'elle a eu la récidive. Ah vous vous rendez compte Quelqu'un qu'on a suivi, on est allé pendant toute une journée. On a sillonné tous les hameaux de Karmala pour la retrouver. Et elle fait ça encore. Mais selon vous, c'est elle qui n'a pas voulu venir, son mari, ou euh, quelles contraintes elle a eues C'est l'environnement. Tout le monde est complice. C'est ce que j'ai dit souvent. Et quand nous faisons la réintégration sociale accompagnée, on instruit les chefs de village que s'il y a un cas dans le village, ils sont responsables. Et ils savent que c'est difficile à guérir. Mhm. Donc c'est eux qui condamnent leur population. L'ONG Dimoldon, vous êtes euh, la présidente euh, et l'initiatrice. Vous êtes implantée uniquement à Niamey ou vous existez dans les autres régions du pays aussi On est dans toutes les régions. D'accord. Et même on a une antenne au Burkina. Une représentation Au Burkina, oui. On a initié un atelier à Dori. Et grâce à cet atelier, ils ont pu avoir un centre pour les femmes victimes de fistules qui a été construit là-bas. Toujours sur le compte du Liptako Gourma. Mhm. Et maintenant, euh, il reste l'agrément du Mali pour qu'on soit vraiment euh, à cheval sur les trois pays. D'accord. Quand vous accueillez ces femmes-là, dans quel état d'esprit elles arrivent chez vous Bon, elles sont vraiment démoralisées. Ce sont des femmes traumatisées. Et ce sont des femmes dont les conditions d'hygiène ne sont pas réunies. Et ce sont des femmes qui, même pour le regard, elles n'acceptent pas vos regards. Elles sont gênées. En plus, ce sont des femmes où parfois l'handicap leur empêche de bouger la motricité des jambes, mhm. ça pose problème. Ah Donc une femme qui dégage une odeur euh, nauséabonde et qui a un esprit ou un regard qu'elle n'aime pas, elle ne veut pas, elle baisse la tête. Vous voyez, c'est traumatisant pour la femme mhm. parce que déjà elle a vécu au village certaines conditions et elle pense partout où elle ira, ce serait les mêmes regards, ce serait une mauvaise euh, acceptation de son état. C'est ça. Et à partir du moment où elles acceptent, euh, elles accèdent aux services de santé mhm. un peu partout hein, actuellement, avec les culottes hygiéniques qu'on leur offre. Je vous assure, en 24 heures, le savon règle les problèmes. <laughs> D'accord. Et, en général, quel est le profil euh, de ces femmes qui sont victimes euh, de fistules Ce sont des femmes de petite taille, illettrées, ils ne savent ni lire ni écrire et accompagné seulement par la mère ou bien par le papa. Rare quelques cas où il y a la belle famille qui accompagne quand c'est un mariage de famille. là, mais euh, sinon, euh, vraiment, le profil pour les premiers cas, c'est les, c'est-à-dire les primipares, ce sont des petites filles. Les primipares, c'est des petites filles innocentes, mhm. innocentes Vraiment, quand vous posez des questions, même pour avoir leur nom, l'identité, la provenance, elles ne connaissent même pas le nom parfois de leur village. Mm. Alors, et le second cas, ce sont les femmes qui ont eu des grossesses multiples rapprochées et puis qui ont eu plus de cinq accouchements. Là encore, c'est le même problème. Elles savent s'entretenir, mais pas convenablement. Alors que les autres, les primipares, il y en a qui n'ont même pas vu leur menstrue avant d'avoir la grossesse. Ça veut dire que c'est les mariages d'enfants. Oui, quand elles viennent, le problème qu'elles nous citent, j'ai des saignements, toujours je saigne. Elles ne font pas le lien pour savoir que ce sont des menstrues. Ah. Elles pensent que c'est dû à la fistule qu'elles saignent chaque fois. Ça veut dire qu'elles n'ont pas été sensibilisées à elles ne connaissent Pas, oui. Elles ne connaissent pas. D'accord. Merci, Madame Traoré Salamatou, docteur euh, Idrissa Abdoulaye, euh, vous avez parlé tout à l'heure euh, d'un cas qui sort du lot du profil qu'elle a cité. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, que ça peut toucher tout le monde aussi, la fistule Oui, ça, ce sont des, cas d'exception. Hein. Mhm. Le cas dont je n'ai évoqué en dehors du studio, mhm. c'est un cas iatrogène. lequel a été opéré pour autre chose. D'accord. Bon, maintenant, ça fait quand même euh, peut-être une dizaine d'années, qui est beaucoup plus intéressante parce que ça, c'est une intellectuelle, le niveau bac plus je ne sais pas combien, et qui, pour X ou Y raison, elle est retournée au village accoucher. Sa mère est au village, elle est repartie, elle, vit à Niamey, elle est repartie au village accoucher et elle n'a pas eu de soins. Donc elle a fait la fistule et elle est venue dans mon bureau. C'est elle-même qui est venue me dire, docteur Ablaï, j'ai la fistule. Bon, ça m'a fait un peu rire. J'ai dit, non, tu n'as pas la fistule comme tu as dit. Si, j'ai la fistule. Je me suis documenté, j'ai fait l'accouchement dans des conditions de non-assistance, et puis j'ai fait la fissure. Donc, ça veut dire que ce sont des facteurs qui s'additionnent. C'est pas tout le temps qu'on a les mêmes facteurs. C'est-à-dire que si on parle des petites filles, c'est pas toujours qu'il y a les petites filles. Si on parle de l'ignorance, c'est pas toujours qu'on a l'ignorance. Il y a des circonstances. Oui, il y a des concours de circonstances mm-hmm. qui vont faire qu'une femme, en tout cas, qui est pour la fissure obstétricale, je veux dire, hein, qu'une une femme va développer la fissure obstétricale. C'est pour dire le maître mot, c'est l'accès vraiment aux soins. adaptés au moment où il faut. Mm. Merci, docteur. Selon l'UNICEF, euh, au Niger, un tiers des décès des filles de 15 à 19 ans est dû à des problèmes survenus à l'accouchement. Et les filles qui survivent aux accouchements difficiles euh, courent le risque de devenir fustuleuses. C'est le cas de ces femmes que nous avons rencontrées au centre euh, ONG de Dimol qui témoignent de leur situation. Je viens de Wallam. Je suis atteinte de fistules suite à un accouchement. À mon arrivée, les docteurs mettent la main pour sortir le bébé au lieu de t'opérer. Mon enfant a été broyé dans mon ventre. Ici, j'étais inquiète avant d'être prise en charge. Je suis la première femme fistuleuse dans mon village. J'ai commencé les contractions dans l'après-midi et c'est le lendemain matin que j'ai accouché. J'ai dormi à l'hôpital et les médecins s'occupaient bien de moi. Ils n'ont juste pas pu faire quelque chose. Avec les autres malades, tout va bien. Le matin, quand tu te réveilles, tu peux sécher trois à quatre pagnes à cause de l'urine. Avec mon mari aussi, tout va bien. Même le transport, c'est lui qui l'a payé. Je ne l'ai jamais dégoûté. Ça fait deux mois que nous sommes ici et on n'a toujours pas eu d'opération. En plus, on ne nous a rien dit. C'est à son troisième accouchement qu'elle se retrouve avec cette fistule. Les autres accouchements se sont bien passés. Son mari s'occupe bien d'elle. Il était même venu ici pendant trois jours. J'ai 40 ans et je viens de Gaïa. J'ai accouché dans le mois de Ramadan. Nous sommes allés dans un quartier. Ils m'ont dit qu'ils ne peuvent rien pour moi d'aller à Niamey. C'est mon huitième accouchement qui m'a fait ça. J'ai accouché par césarienne et c'est une fois à la maison que ça a commencé. Les gens s'occupent bien de moi. Ils viennent me faire la lessive, remplir mes barriques d'eau et laver mes enfants. Voilà, à travers ces témoignages, on constate que ces femmes ne sont pas que des petites filles, comme vous l'avez dit, mais il y a aussi des mères de famille euh, de multiples euh, grossesses et qui ne sont pas discriminées par leur entourage et leur mari. Madame Salamatou Traoré, est-ce que cela veut dire que les gens prennent conscience maintenant qu'il faut venir en aide à ces personnes-là au lieu de les écarter Oui, parce que euh, en ce qui concerne les victimes de grossesses multiples et rapprochées, elles ont déjà euh, un prérequis parce qu'elles connaissent déjà ce que c'est que la vie sociale, elles connaissent comment il faut entretenir euh, leur ménage, comment il faut entretenir les enfants. Elles n'ont pas la même approche face à une situation difficile que les petites filles. Et cette dame qui, à 40 ans, a déjà eu huit enfants, vous voyez que c'est regrettable. Mhm. c'est qu'elle euh, n'a d'abord pas l'information, elle ne connaît pas l'importance des services de santé, sinon elle ne serait pas à 40 ans avec 8 enfants, 8, grossesses déjà. Mhm. Et elle n'a pas expliqué le déroulement de ses accouchements. Oui. Ça sous-entend que c'est une qui n'a jamais fréquenté régulièrement les formations sanitaires. Parce que sinon, elle ne serait pas dans, euh, cette situation. Mhm. Et l'autre aspect, les maris. Il y a deux qui ont témoigné que les maris, euh, l'autre c'est le mari qui a payé son transport mhm. et l'autre elle dit que c'est son mari qui, l'a bien entretenu et et il y a beaucoup de cas où la prise en charge sur le plan social est assurée par les maris. Par contre, plus de 90% des cas, les maris disparaissent. Je vous l'assure, on a fait des statistiques. On a vu que pour le premier accouchement, 90% des petites filles n'ont plus de mari. Et, les 10%, ce sont les mariages de famille. ils se sentent obligés de les garder. Ils sont euh, obligés. Ou c'est la belle famille qui s'en occupe, ou même c'est tout simplement de temps en temps, ils l'envoient. Mais à partir du moment où elles sont sèches, là, ils reviennent. Et elles-mêmes, elles acceptent de. Elles retourner. refusent. Il y en a beaucoup refusent. <laughs> Donc, euh, <laughs> il y en a aussi, euh, elles pensent au départ, quand elles viennent, pour elles, la fistule est constituée par les agents de santé. C'est regrettable, hein, puisque quand elles ont la fistule, elles sont parfois inconscientes, traumatisées ou dans le coma. Au réveil, maintenant, elles constatent qu'elles sont mouillées. Ou bien parfois, euh, une semaine, deux semaines après, on enlève la sonde, elles se rendent compte de la situation. C'est-à-dire la sonde, c'est le drain qui, évacue les urines. Mhm. Alors, une fois qu'elles constate, elles se disent, en venant dans la formation sanitaire, elle ne perdait pas les urines. Elle a été bien euh, hydratée pendant tout le travail, on lui donne à boire et tout, parfois même des pressions et tout ce qu'il y a comme pratique néfaste. Mhm. Dès qu'elle accouche, pour elle, ça s'est constitué dans la formation sanitaire. Les trois jours de travail, c'est-à-dire les 72 heures qu'elle a passées mhm. au village et même qu'elle est tombée dans le coma avant de venir, elle oublie tout ça. Pour elle, la fistule a été provoquée ah, par un agent de santé ou dans la formation sanitaire. Et mhm. nous, c'est là où nous travaillons beaucoup avec ces patientes en leur expliquant les causes et conséquences Comment elles ont eu la fistule et comment c'est arrivé Alors là, elles comprennent, puisqu'elles deviennent des animatrices de terrain. Il faut elles-mêmes qu'elles comprennent. Elles sensibilisent. oui, elles sensibilisent après la guérison. Elles sensibilisent les communautés. Donc c'est en ce moment qu'elles comprennent et elles-mêmes, elles retracent le cheminement qu'elles ont eu. Pour que les autres n'emboîtent pas leur Voilà. Et elles accompagnent aussi les femmes. Elles recherchent aussi d'être nouveaux cas s'il y en a pour leur dire c'est gratuit, vous pouvez venir. D'accord. Merci beaucoup, Madame Traoré, docteur euh, Abdoulaye Idrissa. Euh, selon vous, est-ce que les femmes se remettent euh, du traumatisme subi lors de cette fistule Est-ce qu'elles reviennent elles-mêmes Comment doit son entourage doit l'accueillir, doit se comporter vis-à-vis d'elle Il faut dire que depuis 2003, les, gens se battaient hein, pour pour que les choses avancent dans ce pays. Et je crois qu'il y, a, eu des résultats. C'est-à-dire que, que ce soit au niveau de l'État, dans tous les cas au Niger, on a mis en, place ce qu'on appelle les réseaux d'éradication de la fistule, où les activités sont centralisées. Donc les activités de prévention, les activités de prise en charge et les activités de réinsertion. Donc dedans, il y a l'État, il y a les techniciens, il y a les partenaires, il y a les ONG. Mm-hmm. Donc tous, on, on essaie de coordonner nos activités pour que vraiment les choses évoluent. Et ce que vous avez entendu, c'est tellement lié à toutes ces... Ce sont des résultats mhm. positifs de toutes ces actions qu'on a menées depuis des années. De plus en plus, les gens sont conscients que ce n'est pas une malédiction, parce que ce qui fait qu'on fuit ces femmes, essentiellement, c'est ça, parce qu'elle est maudite, donc il faut s'en éloigner. Euh, là, il y a des gens qui s'en, qui, s'en occupent. Donc, maintenant, euh, on va continuer la sensibilisation et Haji a dit quelque chose, c'est-à-dire qu'on va aussi nous continuer à recueillir des informations pour voir quel est le niveau d'évolution de la connaissance sur la pathologie, mhm. pour qu'on apporte des informations beaucoup plus actualisées. Parce que parfois, on fait toujours la même sensibilisation, il y a le même contenu, et parfois, ce n'est pas toujours adapté. Donc, je pense qu'il y a ce travail avec certainement vous, les médias, mhm. pour pour qu'on continue à actualiser les données et donner l'information aussi juste que possible pour qu'on puisse avancer. D'accord. Mais expliquez-nous comment se fait la prise en charge. Elle est gratuite. Une fois que la femme arrive, comment est le processus Parce qu'il y a l'autre qui dit qu'elle a fait deux mois, personne ne lui a rien dit. Mhm. Donc comment ça marche Bon, il faut, <laughs> je pense que lorsqu'on dit rien là, le rien là veut dire qu'on ne l'a pas opéré. C'est ah. pas qu'on a. <laughs> Parce que si elle est dans un centre, c'est qu'on lui a dit quelque chose. Ah. on On a dit au moins va t'asseoir là-bas. Non, et je suis convaincu qu'on ne peut pas faire deux mois sans être examiné. Parce que lorsque les femmes arrivent, on les examine d'abord. C'est ça l'avantage d'avoir des centres spécifiques. Parce que la femme va venir et va trouver qu'elle n'est pas seule. Mhm. Il y en a d'autres qui sont peut-être plus graves qu'elle. Donc déjà, ça la rassure. Et honnêtement, tout ce que vous voyez, que ce soit les ONG ou les agents de santé qui travaillent dans le domaine de la fistule, ce sont des gens qui ont de l'empathie. Parce que ce n'est pas n'importe qui qui va travailler avec ces femmes. Et parfois, on a même des anciennes patientes, guéries ou pas, qu'on utilise pour les rassurer. Maintenant, après l'examen, si vous avez d'autres femmes qui sont devant vous, c'est sûr qu'on ne va pas vous prendre. <laughs> Ah Donc, on a institué que le premier arrivé sera le premier servi. Il y avait une qui a été opérée moins de deux mois, c'est pas cette année, hein, mhm. depuis longtemps. Elle a reçu la visite d'un ministre et il a dit à la ministre que le que je ne l'ai pas traité. Le ministre est venu me dire ça. Et j'ai dit que toi, c'est pas avant-hier, on a enlevé la sonde. Elle a oublié, peut-être. Non, en fait, le problème, elle n'est pas guérie. Donc, il faut comprendre ça. Elles ont une aspiration à guérir de la maladie. C'est pour ça que même mhm. s'ils font des choses contre nous, on comprend le sens de leurs paroles, en fait. Euh, on leur a rien dit, elles ne sont pas guéries. Ça, ça veut dire ça. D'accord. Madame, je vais compléter. Compléter, oui. Sur le plan psychologique, on a un médecin vacataire qui vient dès l'admission, surtout pour les cas sensibles qui ont des troubles mentaux. Il y en a qui sont agressives. Il y en a qui, la faculté d'écouter est très basse. Donc, en fonction de l'examen psychologique, on ne peut pas envoyer une femme sur la table. Oh, voilà, il faut qu'elle. Voilà, et, on est obligé, même si elle, elle, doit aller en consultation, on retient. Elle ne peut pas aller parce qu'elle ne se fera pas examiner par un homme. Mhm. Et le chirurgien, c'est un homme. Et on essaie d'abord de la préparer psychologiquement avant qu'elle n'aille en consultation. Mm. Peut-être ce retard aussi est compris. L'autre aspect, c'est par rapport à la priorité. Quand la femme elle a une infection sérieuse, on ne peut pas l'envoyer également. Il faut traiter l'affection qu'elle présente avant de référer pour la consultation parce que le médecin lui-même il dira mais à quoi sert le personnel pour m'envoyer ça Donc toutes les femmes que nous référons pour la consultation, il faut qu'elles soient présentables sur le plan alimentaire, sur le plan physique et sur le plan mental d'où elles vont rester quelques elles Sont obligées, Elles sont obligées d'accepter. Et ce temps est mis à profit aussi pour les sensibilisations, pour les formations en AGR. L'ONG qui est la vôtre, qui s'appelle DIMOL, mhm. Dignité en Peul, c'est ça, mhm, mhm. travaille à redonner une vie décente à ces femmes fustuleuses. DIMOL œuvre pour la santé de la reproduction et pour une maternité sans risque une association initiée par vous, Madame Traoré Salamatou. Votre organisation prend en charge le traitement des femmes fistuleuses et les accompagne aussi dans leur réinsertion dans la société après euh, guérison. Vous, qui êtes une sage femme, euh, continuez de lutter pour la santé de la femme. On écoute un portrait de vous réalisé par euh, une de nos collègues. Née en 1947 à Filengue, issue d'une famille de 23 enfants, d'un père infirmier de l'armée coloniale française et d'une mère ménagère, Madame Traoré Salamatou, aujourd'hui mère de cinq enfants, a eu la chance de fréquenter l'école malgré les multiples déplacements de sa famille. Infirmière diplômée en 1966, sage-femme en 1978, gestion management des services de santé en 1991, en tant que promotrice de la clinique médicale du plateau de Niamey, elle a embrassé la carrière d'agent de santé par vocation. Madame Traoré Salamatou, fondatrice de l'ONG Dimol, qui signifie dignité par amour de son métier, s'est érigée en défenseur des droits de la femme et de l'enfant. Le cas de la fistule est une illustration qui l'a amenée à créer cette ONG et un centre d'hébergement des femmes victimes de la fistule obstétricale pour la prévention, la prise en charge, la réinsertion des femmes guéries par l'apprentissage de l'autonomie économique et en matière de santé. Nous avons la prise en charge euh, d'abord des cas dans le centre. Nous avons la prévention, mais nous avons aussi l'accompagnement pour la chirurgie de ces femmes. Par rapport à la réintégration sociale, c'est après une formation appropriée pour leur autonomisation économique que nous les accompagnons dans les villages pour les valoriser. Nous avons en perspective beaucoup de projets sur ces deux aspects. Ce n'est pas une petite affaire c'est une lutte euh, qui continue et qui n'a pas de fin. Cependant, malgré sa détermination, l'ONG de Madame Traoré Salamatou est confrontée à plusieurs difficultés, notamment les ressources financières. Dans la lutte contre la fistule génitale, on a vraiment une faiblesse dans la prise en charge des cas, surtout en matière de réintégration sociale où nous n'avons pas assez de moyens pour les accompagner et aussi nous avons une faiblesse face au suivi du projet mais aussi au suivi des femmes sur le terrain. Abdou Moussa, secrétaire général de l'ONG Dimol, un homme dévoué témoigne de la persévérance de Madame Traoré pour que l'objectif qu'elle s'est fixé soit atteint. Madame Traoré est une femme combattante qui défend corps et âme les droits de la femme et des enfants, et surtout les femmes victimes de la fistule. Elle fait tout pour que ces femmes-là retrouvent leur dignité. Elle arrive à allier presque tout le monde, toutes les parties prenantes, pour que l'objectif qu'elle s'est fixé soit atteint. Elle dit ce qu'elle pense sans passer par des détours et elle ne mange pas ses mots quand il s'agit du travail, vraiment, elle prend tout son sérieux. C'est une femme qui aime le travail bien fait. Avec un groupe de personnes qui a pris conscience du problème de la fistule, le centre d'hébergement est additif d'une capacité de 50 lits et a accueilli au total environ 1100 patients. Madame Traoré Salamatou. Nous avons eu à prendre pas mal de cas, hein. plus de 1100 patients. Depuis l'expropriation de l'ONG, en moyenne, nous avons 25 à 30 femmes qui rentrent par trimestre. Comme maintenant c'est l'hivernage, après l'hivernage, nous avons une capacité de 50 Aujourd'hui, les actions de Mme Traoré Salamotou ont eu comme impact sa reconnaissance comme femme leader au Niger au niveau régional et international. Selon elle, nous entrons dans une ère où les sages-femmes en tant qu'actrices clés de développement doivent rechercher des voies et moyens afin de contribuer à la réduction du taux de fistule obstétricale au Niger. Merci Rafika Taher, euh, <laughs> Madame Traoré, vous avez écouté. Donc, euh, qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette euh, organisation et surtout pourquoi spécialement la fistule obstétricale, accueillir les femmes dans ce centre J'ai vu une petite fille victime de fistule, moi-même j'avais 13 ans. J'ai été au pavillon C de l'hôpital et là, c'était la maternité en ce moment. Et j'ai vu une petite qui marchait difficilement, qui pleurait, qui tremblait, aidée par sa maman et avec l'autre main un bâton et de l'autre, elle avait le tuyau en main. J'ai vu à son passage l'eau qui suivait et j'ai posé la question à ma soeur. Qu'est-ce qu'elle a, la petite là? La soeur me dit, elle a la fistule. J'ai dit, c'est quoi la fistule Elle dit, elle a accouché et elle ne retient pas ses urines. Alors j'ai demandé, mais et son bébé Il me dit, elle n'a pas de bébé, il est mort. est mort. Ça, ça m'a fait un choc. Euh, je devrais être euh, enseignante, c'était en 63. J'ai fait deux semaines de formation, je ne me retrouvais pas. <laughs> j'ai dit à mon beau-frère, dit, il dit, pourquoi Tu veux faire la, la profession familiale J'ai dit, oui, oui. Et là, c'est sur concours. Hein. C'est comme ça, je suis rentrée. Et de là à maintenant, je vous assure, les mêmes petites filles-là, elles sont là jusqu'à présent. J'ai fait la avec elles. D'abord, centrale. Même si je ne suis pas de garde, des fois je suis obligée d'aller les aider certains. Mhm. J'ai été mutée à la morgue. J'ai fait six ans. J'ai pris tout ce qu'il y avait à la centrale. J'ai amené. Bien qui m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire avec ces femmes J'ai dit, je vais m'en occuper, puisque ici elles sont parfois sous les hangars. J'ai dit, c'est pas hygiénique. Donc, il a dit, tu peux les amener. Maintenant, à partir de là, 6 ans, celle qui m'a remplacée a renvoyé les filles. Elles sont revenues. Moi, j'étais promue directrice de la même maternité. Je me suis retrouvée avec encore les filles. Donc, j'ai dit au docteur Bienki, il faut qu'on aille à l'hôpital voir le directeur. C'était Isaac Karim. Le directeur nous reçoit. J'ai je dis, directeur, trouvez-nous, même si c'est un pavillon, on va les placer. Il dit, tout un pavillon. Oui, j'ai dit, je m'en occupe. Il a dit, non, c'est pas possible. J'ai dit, si vous pouvez construire, on peut vous chercher. Bon, va chercher la place que tu veux. Pourquoi Je fais le tour, je trouve euh, le passage entre le pavillon E et la chirurgie. Je reviens vite, je lui dis, j'ai trouvé un lieu où on peut fermer. Parce que c'est un passage. Mm. Donc, on a fermé le couloir grâce à l'UNICEF qui a financé et Madame Boubé une de mes monitrices aussi. Et actuellement, ils ont érigé ça à un pavillon. Mais avec tout ça, les filles, elles restaient plus de 3 4 mois sans être opérées. Parce que les blocs ne suffisaient pas, il y avait trop d'urgence. Elles n'étaient pas prioritaires. Voilà, et c'est comme ça que j'ai fait un projet, j'ai soumis à une ONG où j'étais la présidente, qui est Coniprat. Mhm. Et là encore, j'ai eu des problèmes le projet m'a été balancé à la figure. Pour qui je me prends pour faire un projet de 2 milliards J'ai pris le projet et j'ai démissionné pour créer Dimol. Et les difficultés, ça ne fait que continuer. Mais là où je dis, ces patientes, leur expérience nous a conduit à ce que le Niger prenne la fistule comme problème de santé publique. Ça, c'est important. Et les autres pays de la sous-région ont emboîté le pas au Niger. Il y a même des fondations au Burkina. Merci, Madame Traoré Salamatou. Docteur, euh, voilà, on parle de sensibilisation. Vous, de votre côté, qu'est-ce que vous faites euh, pour que cette information soit comprise par euh, les populations je vous ai parlé tout de suite du réseau d'éradication de la fistule. Mhm. Et dedans, en fait, on a sectorisé un peu les activités. Tandis que les activités de sensibilisation, c'est ceux qui sont sur le terrain et les ONG qui le font. Et, nous, on est surtout professionnels de la santé, on fait les activités de prise en charge. Lorsque vous prenez en charge quelqu'un, avant la sortie, il faut faire ce qu'on appelle des conseils pour que ça ne récidive pas. Nous, ce qu'on a initié, c'est le counseling de couple. C'est-à-dire qu'avant de libérer la femme, euh, on fait un suivi. pré guérison de six mois, on invite la femme à venir avec le mari, qui est prêt maintenant à accepter la femme. Parce que une femme, il est très du village, qui est jeune parfois, elle ne va pas aller dire oui, à on m'a dit ça. Qui va la croire Personne. Voilà. Et on explique au, mari qu'est-ce qui s'est passé. On explique que la prise en charge a été gratuite. Si on n'a pas les mois on peut arriver à faire des prescriptions. Ça, c'est le principe. C'est pas officiel, mais c'est comme ça. Mhm. Donc, c'est la responsabilité du mari d'amener sa femme à huit mois de grossesse. D'accord. Donc avant le travail d'accouchement. Ok. Merci beaucoup. Donc euh, espace femme, c'est aussi un espace de détente et de sensibilisation. Je vous propose donc de suivre notre rubrique afférage euh, affairage en français, en zarma loti et en hausa avant de clôturer cette émission. affairage. affairage. affairage. affairage. bébé, patiente-toi, on est presque arrivé. Tu vois, même ton frère Odo est fatigué. Et même maman aussi est fatiguée. Hamza Hamza Hé hey Hamza C'est à toi que je parle. Ça fait longtemps je ne t'ai pas vu. Quatre ans si je ne me trompe. Excuse-moi, maman. C'est les enfants là. Hé hey, Hé, hey, viens, reviens. Où tu vas Reviens. Excuse-moi, maman. Les enfants là me prennent la tête. Comment tu vas, ma copine Je vais super bien. Normal qu'ils te prennent la tête. Tu as pris les enfants d'autrui pour sortir. Il fallait les laisser avec leur mère. Mais je suis leur mère. Tu es leur mère. là. Oui, maman. Je te présente mes adorables bouts de chou. Attends, tu es sérieuse là Mais ils ont quel âge La première a deux ans, celui qui est au dos a un an et un autre est en route, comme tu l'as constaté, c'est mon septième mois. Mon Dieu, mais à cette heure, tu vas te tuer. Tu ne connais pas le planning familial Planning familial Qu'est-ce que c'est hmm. Le planning familial va te permettre de façon réversible et temporaire d'espacer les naissances et non les limiter. Elle te permet en quelque sorte d'avoir des enfants au moment voulu. Ah, d'accord. Donc, que dois-je faire Tout d'abord, tu dois en discuter avec ton mari. S'il est d'accord, tu peux aller dans les centres de santé publique intégrés pour obtenir ta méthode. En plus, maintenant, il existe beaucoup d'ONG qui le font et dans les deux cas, c'est gratuit, complètement. Et si mon mari n'est pas d'accord Parce que c'est quelqu'un de très compliqué. Hein. Et pire, c'est les gens qui pensent qu'avoir beaucoup d'enfants est signe d'abondance. Hum, hum. Quoi si ton mari n'est pas d'accord, tu peux aller voir l'une de ces ONG là pour qu'ils viennent lui expliquer l'importance du planning familial. Ils lui diront par exemple que ça ne met pas un terme définitif aux accouchements et que ça va juste te permettre de te reposer un temps avant une prochaine grossesse. Regarde comment tu as vieilli. Hmm. Ça ne sera pas facile pour moi de le convaincre, ma chérie. Je le connais. En tout cas, fais tout pour que ton mari accepte car au-delà de quatre grossesses sans espacement, l'accouchement est plus risqué. Quelles sont ces méthodes, ma chérie C'est cher Pas du tout. C'est pris en charge, je te l'ai dit, par l'État nigérien. Donc c'est gratuit. Une fois dans le centre, ils t'expliqueront les différentes sortes de méthodes contraceptives. Il y a aussi d'autres méthodes. Tu sais, comme nous sommes en Afrique là, on parle d'allaitement comme méthode traditionnelle de contraception, sans oublier les herbes là que les femmes prennent. Mais ils sont peu fiables, je ne te conseille pas. Bonne nouvelle. Mais est-ce que toutes ces méthodes de planification familiale ne rendent pas stériles non, seule la stérilisation féminine et la vasectomie sont définitives. Ne t'inquiète pas pour ça. Tu peux avoir un enfant peu après l'arrêt de la contraception. Moi-même, je suis sous contraception, je n'ai aucun problème. Ah Bien sûr. Je continue avec mes questions, hein, parce que je vais d'abord écarter tout risque avant d'en parler à mon mari. Hey, laisse-moi te dire que le planning familial ne présente aucun danger pour la femme, rassure-toi. Vraiment, merci beaucoup ma copine. En tout cas, Grouille, car il y a beaucoup d'avantages qui sont liés au planning familial tels que la meilleure santé de la mère et de l'enfant et avec moins d'enfants vous aurez plus de temps pour travailler et du temps aussi pour rester avec votre famille. Bref, la liste est longue. Ah, ah papa Poupi, à nous deux maintenant. Voilà, c'est ainsi que se referme le forum de ce soir axé sur la fistule obstétricale au Niger. Quel impact sur la vie de la femme malade Pour discuter de cette euh, thématique, nous étions avec euh, Madame Traoré Salamatou, sage-femme à la retraite, présidente de l'ONG Dimol, et Dr Idrissa Abdoulaye, chirurgien urologue, euh, directeur du Centre national de référence des fustules obstétricales, représentant du ministère de la Santé publique. Prochain rendez-vous des programmes de Studio Kalangou demain à partir de 17h sur nos radios partenaires. C'était Reylet Soumana à la présentation et Abdelkader Chambiano à la technique. Au revoir. Es was warm. Es was warm. Es was warm. Es was warm. Es was warm.